le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du forum du forum du forum du Nous sommes vendredi 30 octobre 2020. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse de Studio Kalangou forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la situation des sinistrés des inondations relogées sur le site Gamou dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Ensuite, il sera question de l'enlèvement en début de semaine d'un Américain à Masalata, village situé à Bernoukoni de la région d'Ottawa. Enfin, nous parlerons des crises politiques qui secoue trois pays de la sous-région ouest africaine, à savoir le Nigeria voisin, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons dans ce studio El Haj Suleiman Mohamedou, il est journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Haj Suleiman. Bonsoir Nafisa. Gare Amadou, il est journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons Sidi Ousmane Doumbia, il est journaliste à freelance. Bonsoir à vous. Bonsoir, ça. À la modération, c'est Nafissa Adam Sefou. Chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue. Merci, chers confrères, d'être là. Le Kangamou, c'est le site euh, choisi par l'État pour le relogement des victimes des inondations de la rive droite de Niamey. Le dit site est situé dans le 5e arrondissement de Niamey et il abrite déjà 660 ménages, soit plus de 4000 personnes selon des chiffres de l'agence nigérienne de la presse ANP. Quelques habitants que notre confrère a rencontrés sur place témoignent de leurs conditions de vie, d'hébergement. Je vous propose de les suivre. Je vécu ici l'année passée. Nous étions au nombre de 300. Il n'y avait pas tout ce confort. Et on était sur des hangars confectionnés en paillotes. Cette année, on a vraiment suffisamment de place. Les enfants, madame et moi, on a où s'installer quand même. Et d'autre part, il y a l'électricité que nous venons d'avoir cette année. L'année passée, il n'y en avait pas. À partir de 20 h l'endroit était sombre. Depuis notre arrivée, j'ai pas vu quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. Alors que l'année passée, on on n'a même pas passé la nuit quand il y a eu plus de 7 qui ont été évacués. On n'a pas à manger, on est là, tout ça là, tu vois, ça cause des problèmes. D'autre côté, on peut en avoir des jours où on nous amène euh, de quoi faire la cuisine et maintenant, ce n'est pas le cas. Donc il y a une grande différence. Comment vous faites alors pour manger Mais avec les voisins, on profite, chacun fait son plat. Là, si la personne est sortie, elle peut euh, gagner un 500, 1000 francs, voilà, on va collaborer comme ça. Et là, donc, euh, quelques sinistrés euh, relogés sur le site Gamou, un site euh, aménagé par l'État suite aux inondations de cette année. Alors, je vous donne la parole en premier, Sidikou Ousmane Doumbia. Vous êtes journaliste freelance. Après écoute donc de ces témoignages, quelles, vraiment, quelles sont les appréciations après écoute Comment vous appréciez vraiment la prise en charge de l'État ces sinistrés Bon, ce serait vraiment une appréciation mitigée. Euh, à, écouter le premier intervenant, c'est vraiment, même si comparaison n'est pas raison, mhm. comparé à l'année passée, il semble vraiment être dans des conditions euh, acceptables. Tout le contraire des propos du second intervenant. L'un de l'autre, moi, je pense que euh, la question de relogement des sinistrés doit véritablement être prise en compte par l'État. Il ne mhm. Il suffit pas de trouver le site, il suffit pas d'aménager aménager le site. Il suffit pas de mettre euh, ou bien de croire mettre les dispositions euh, vraiment pour euh, un vécu assez acceptable. Mhm. Il faudrait que l'on en finisse une fois pour toutes en mhm. prenant les dispositions qui s'imposent. il l'a si bien dit, ils ont vraiment, lui et sa famille, le premier intervenant, vraiment, ils, ne se plaignent pas, mais imaginez Qu'en serait-il, par exemple, quand bientôt on va être en saison froide et en saison chaude Est-ce que ça allait être intenable mhm. euh, C'est vraiment à toutes ces questions qu'il va falloir vraiment trouver des réponses aux autorités, au ministère en charge. Euh, oui, sur place, on a trouvé euh, les dispositifs sanitaires, éducatifs, tout y est, mais donc c'est pas suffisant. L'État pouvait mieux faire L'État peut mieux faire. C'est-à-dire, il faut situer les responsabilités. Hein. Aussi bien ces sinistrés-là, vous ne pouvez pas. le monsieur dit l'année passée. Donc, l'État est en train de faire du mieux qu'il peut. Mhm. Mais eux, eux vraiment, euh, quand on vous donne vraiment un terrain, euh, il faudrait que l'État soit regardant pour que les gens se construisent. On ne construit pas en une seule journée. Vraiment, il faudrait vraiment euh, être trop regardant pour que l'on ne revive toujours pas le même scénario. Moi, je pense que les responsabilités doivent être partagées. Mhm. Aussi bien c'est sinistré que l'État, chacun doit jouer sa partition pour que l'on ne continue pas à revivre toujours le même scénario qui, du reste, est, est désolant. D'accord. Les responsabilités doivent être partagées et Elage Suleiman. Selon vous, est-ce qu'il revient vraiment à l'État de prendre totalement la charge de ces sinistrés Absolument. L'État, c'est le premier responsable. Euh, en termes de prise en charge, voilà, euh, euh, en, tout cas, on a entendu les uns et les autres. ça, vraiment, c'est une gestion d'une situation donc créée, donc c'est un fait accompli. Hmm. Mais au-delà, je pense que c'est des réflexions de fond pour éviter cette situation parce que les inondations à Niamey, euh, comme ailleurs à, la, année, à l'intérieur du pays, mm. euh, cette année particulièrement, ça doit nous interpeller pour faire attention, c'est-à-dire que la légèreté avec laquelle les affaires sont traitées, euh, j'ai suivi à deux reprises euh, un débat sur euh, Télé Sahel, en tout cas organisé autour du gouverneur, ses collaborateurs et des citoyens, la mhm. jeunesse, en tout cas des, personnes impliquées. Des personnes impliquées. En tout cas, c'était très franc les problèmes ont été discutés en toute transparence et on a compris que véritablement il y a des responsabilités à tous les niveaux. Effectivement. Et euh, par exemple, au niveau des populations, on voit, le gouverneur l'a dit, vraiment c'était pathétique. Il dit comment il subit les pressions des, gens mhm. euh, qui pensent qu'on ne doit pas appliquer euh, la loi ou bien en tout cas les, les mesures, qui s'imposent. donc vous voyez, je pense que ce qu'on a vécu cette année, ce n'est pas vraiment de l'amusement. Les gens ont vécu ça. On a vu la menace, en tout cas, vraiment, elle est réelle. Par conséquent, il va falloir vraiment prendre des décisions. Maintenant, créer les conditions pour reléger vraiment ce qui devrait euh, l'être. La façon aussi de distribuer les, parcelles aux, aux, sinistrés, il va falloir prendre toutes en tout cas les mesures pour que vraiment les ayants droit, en tout cas les personnes vraiment sinistrées, puissent bénéficier. Et vraiment le plus important aussi, c'est de prendre des mesures pour que vraiment cet espace-là, en tout cas, peut-être soit utile maintenant à l'agriculture, à la pêche, mais franchement, ne plus prendre le risque, euh, en tout cas, euh, comme cette année on a, vécu. Donc, moi, de mon point de vue, ça euh, devient une gestion vraiment. On a vu, l'État a fait une proposition à travers donc, le ministère du, Plan donc, mhm. pour la gestion des catastrophes. Donc, ce qui a été conçu, vraiment, on doit donc appliquer rigoureusement euh, donc ces, mesures pour vraiment, vraiment définitivement. Euh, on ne peut pas dire de, parce qu'en tout cas, avec le changement climatique, ça c'est mm. aussi l'autre réalité mm-hmm. avec laquelle il faut compter parce qu'on se rend compte que la situation de cette année comme euh, le jour d'avec les, années antérieures. Donc, cela veut euh, que c'est une réalité justement. Pour les années à venir aussi. Justement, comme on l'a fait en, début, parce que il faut le reconnaître, mm. les services de la météo, de la ont, vraiment prévenu, alerté en temps réel, mais maintenant, effectivement, et il va falloir donc savoir gérer ces situations. Et surtout que euh, pour que ces sinistrés ne regagnent pas leurs anciennes habitations. Oui, ça, j'ai je il y a comme une sorte de, magouille au niveau donc de, de, en tout cas de la mairie. En tout cas, il se passe vraiment un business c'est ça qu'il faut donc euh, vraiment décourager. Mhm. cest à que si on attribue euh, des, parcelles, en tout cas, quelqu'un, par un malin plaisir, se retrouve en tout cas pour vraiment faire un petit jeu, mhm. vous voyez, je pense que partir euh, appartient à l'autorité vraiment d'être très, très, très rigoureuse. Mhm. Aussi, au niveau de la population, il faut se dire que on ne s'amuse pas avec, avec la vie. C'est-à-dire que vivre dans dans ces lieux, franchement, c'est oser vraiment exposer sa vie et celle de ses mhm, enfants mhm. vraiment à ce qu'on a vécu cette année. Vraiment, quand on retrouve un moment, on, on dit par exemple, on, on retrouve 75 euh, personnes dans une classe. Euh, vous voyez, en ce qui concerne l'État, il faut le reconnaître. Nous sommes un pays où vraiment tout est prioritaire. Notre situation n'est pas très reluisante. Mais... On fait avec, mais c'est pourquoi tout le monde, en tout cas population comme gouvernant, mhm. en tout cas, il faut qu'on assume vraiment nos responsabilités. Euh, donc, euh, Amadou, selon Elhaj Suleiman, il revient vraiment à l'État de prendre euh, la charge totale de ces sinistres. Mais selon vous, est-ce que pour une longue durée Oui, mais même si c'est pour, je <laughs> je sais pas moi, même si c'est jusqu'à la saison, la saison le plus prochaine. Oui mais il faut que l'État, c'est le rôle de l'État. L'État mhm. doit assurer à manger et le couvert à tout citoyen. Est-ce que vous comprenez À plus forte raison des sinistrés qui sont vraiment dans le dénuement total. Qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu. Mais ce reportage-là, quand même, il y a deux enseignements qu'on peut tirer. Le monsieur dit, l'année passée, on avait eu ça. Ça veut dire que c'est les gens apparemment à qui on a donné de nouvelles parcelles. Qui sont encore retournées. Qui revenues dans le mhm. même, oui, dans le même endroit. Et qui ont encore été inondées. Il, dit, il le dit sans gêne. Hein. C'est-à-dire que de façon naturelle, il dit, oui, l'année passée, c'était, cette année, c'est mieux. Il y a une amélioration. Ah, Donc, même les années à venir, ils vont retourner. oui, oui l'année prochaine, vous allez le trouver encore et peut-être le faire un autre reportage. Mhm, mhm. C'est un peu choquant quand même. C'est-à-dire, euh, l'État doit faire comme ils l'ont dit, doit tout faire pour que les gens ne puissent pas revenir dans les lits du fleuve mhm. et reconstruire, construire, c'est-à-dire de nouvelles habitations. Faire, comme l'a dit Solomon, peut-être des infrastructures socio-éducatives, en tout cas des choses mhm. qui peuvent permettre, des choses qui ne seront pas inondables, bien sûr, mettre des, des, des, des, en tout cas des garde-fous, des digues qui peuvent permettre de protéger ces installations-là. Maintenant, il faut que ces cris de cœur-là, il faut les prendre très au sérieux. Parce que mm. je vous dis, les gens qui sont dans le dénuement, ils ont encore plus de besoins que, que celui qui a, qui a sa maison intacte et tout, tout, tout, mm-hmm. Ils ont besoin de tout. Vous avez dit qu'à 20 h il n'y a plus de courant. Ce n'est pas normal. Parce que là, ça devient dangereux pour les enfants, surtout mm-hmm. les euh, enfants qui sont dans la. vie, c'est très dangereux. Et donc, il faut vraiment y remédier. Il faut leur trouver de l'électricité et il faut leur trouver. Eh, il faut les approvisionner de façon quotidienne mm-hmm. en vivre. L'État dit que l'aménagement est en cours. Hein oui, l'aménagement Donc l'électricité, oui. Non, les gens ont, on a besoin de manger au moins deux repas par jour. Mhm. Est-ce que vous comprenez Est-ce que ça, c'est une explication Dire que nous, l'aménagement est en cours, ça veut dire que, bon, ils jeûnaient en attendant que euh, tout soit fini comme ça après. Ben, non, il faut à partir du moment où on les a déplacés pour les amener dans un endroit, il faut, assurer. leur assurer le, pain quotidien, l'eau, n'est-ce pas le couvert et puis la scolarité pour les enfants. Ça, là, mhm. ce sont des choses primordiales. Même si les bailleurs de fonds et je sais que les barres de fonds ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ces inondations-là. Même si les barres de fond, à supposer même qu'ils n'ont rien fait, l'État doit, sur fonds propre, prendre en charge ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont vraiment dans, le, besoin, total et vraiment il faut les assister jusqu'au bout. D'accord. Et donc, du coup, pour clôturer ce sujet, selon vous, vraiment sur quoi l'État doit s'attarder dans la prise en charge de ces sinistres C'est, euh, comme l'a dit M. Souleyman, l'identification des vraies mm. nécessités. Parce que, euh, à l'épreuve des faits, c'est comme si il y a un flou artistique qui entoure cette gestion de, mm-hmm. de, ces inondations. Vraiment une identification vraie de ceux qui, des, des, Maintenant, prendre toutes les dispositions vraiment pour, euh, pour, pour pour qu'ils soient euh, vraiment euh, relogés mhm. et de l'autre côté prendre ces mêmes dispositions pour qu'ils ne reviennent pas euh, y habiter. Parce que ça ne sert à rien que l'État déploie des moyens. Ça ne sert à rien qu'on identifie les vrais sinistrés mhm. sans pour autant prendre les dispositions pour décourager. Décourager s'entend par créer des infrastructures vraiment pour que l'endroit, pour qu'ils ne reviennent pas vivre sur leur habitation. C'est mhm. pourquoi j'ai dit les responsabilités sont à partager, mais le rôle prépondérant, l'État se doit de jouer ce rôle prépondérant pour que l'on ne n'assiste plus à ce genre de scénario euh, qui vraiment euh, est désolant, je le mhm. répète. Nous passons donc euh, au second sujet de ce forum de la presse de la nuit du lundi 26 au mardi 27. Un Américain résident à Masalata, département de Bernoukoni, de la région de Tawa, aurait été enlevé par des hommes armés. Selon le père de la victime, les ravisseurs recherchaient de l'argent dans la maison. Je vous propose de suivre Bruce Welton au micro de Asman Moussa, notre accord je suis travailleur ici, j'ai une entreprise pour fabriquer le fromage à Conny. Il y avait dans la nuit six hommes qui sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils Philippe Walton. Ils cherchaient de l'argent dans la maison, mais ils n'avaient pas assez de l'argent. Il avait que quelques 20, 000 francs. Donc, euh, suite à cela, ils sont partis avec lui. Ils parlaient Hausa entre eux et ils essayaient de parler Hausa avec Philippe, mais ils connaissaient quelques mots anglais comme sit down, give bring money. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont, été tous les six armés. C'était là Bruce Welton, euh, le père euh, de la victime enlevée. Donc je vous donne la parole, Elhaj Suleiman, euh, un Américain enlevé, un Américain enlevé dans, la, le, dans, village de Masalata. Vous, de votre côté, comment vous pouvez expliquer, comment expliquer cet enlèvement si on sait que les ravisseurs n'ont pas encore été identifiés un Américain, vous dites bien, euh, c'est qu'on se rend compte euh, à l'évidence que pour vraiment les, les terroristes, ou bien en tout cas les bandits armés, parce que reste à savoir qui ils sont, mm-hmm. euh, et en tout cas les populations occidentales euh, sont en tout cas très prisées parce qu'ils pensent qu'un Américain ou un, un, Occidental, en face, de façon générale, vous avez vu récemment au Mali ce qui s'est passé. Mhm. Même au niveau local, ils ont tendance à prendre des personnes, en tout cas, euh, qui peuvent véritablement, ou peuvent avoir beaucoup d'argent en termes de rançon. Euh, donc, euh, je pense que ça, le fait que ce jeune Américain soit pris de peau blanche, c'est un Américain blanc. Donc, vous voyez, en réalité, je pense qu'il y a cette donnée, à mhm. savoir euh, demander une forte rançon, on pense qu'ils sont capables de, de, euh, pouvoir donner la, une somme importante, oui. Euh, maintenant, en tout cas jusqu'ici, c'est qui est assez curieux quand même. On a dit qu'ils sont venus, sont armés. Donc jusqu'à présent, on a suivi peut-être que ce matin, il paraît qu'ils ont demandé une rançon. Mhm. Donc ça se précise qu'effectivement c'est des bandits armés ou mhm. bien en tout cas des membres d'une euh, colonne des terroristes euh, donc, euh, qui écument donc la, la, la, zone. Mhm. Donc ici, franchement, vous voyez, ce qui est inquiétant, c'est que, bon, le leur mode opératoire, justement, mhm. c'est justement cibler les étrangers. En tout cas, quelqu'un, les étrangers, faire une cible, comme ils ont fait récemment à, à Kouré. vous voyez, ils vont prendre le temps pour se préparer. Ça, en fait, c'est la guerre asymétrique. Ils peuvent surprendre, même à Niamey, on se souvient de l'affaire de Toulouse. Donc, ils peuvent toujours surprendre, euh, ils vont cibler, euh, ils vont prendre le temps pour préparer vraiment leur, action. Mhm. Et vous avez vu, le, le, du, père de la victime, euh, c'est clair, ce que les intéresse, c'est de l'argent. De, l'argent. Mhm. Donc, vous voyez, tout cela, franchement, fait que je pense que il va falloir que tout le monde de population, en tout cas, euh, qu'on se mobilise en termes de renseignement mhm, mhm. euh, pour prévenir. Euh, le fait que dit que ces gens peut-être parlent, anglais et aussi on pense que la destination, on, va chercher vers le, côté du Nigeria. Donc ça, vraiment, on le sait très bien, c'est un peu répandu de plus en plus aujourd'hui. Ces gens, renforcer davantage. Par exemple, même à Difa, on a, connu ces éléments ils vont toujours cibler quelqu'un, une autorité, en tout cas quelqu'un qui est bancable ou en tout cas ils pensent pouvoir une, une, une, une, grosse affaire. Donc je pense qu'il va falloir vraiment qu'on se mobilise. Euh, quand, quand on voit des personnes suspectes, en tout cas, il faut collaborer en termes de renseignement pour mhm. aider vraiment les forces de sécurité à nous sécuriser. À entendre le père de la victime, les ravisseurs étaient venus pour chercher de l'argent garé. Est-ce que vous pensez que le chômage, la pauvreté peuvent être vraiment une, une raison valable pour euh, en arriver à un enlèvement je pense que c'est pas parce que pas parce qu'on chôme qu'on doit prendre une arme pour mhm. partir braquer les, pauvres citoyens. Non, ce n'est pas une raison. Vous savez, euh, ces gens-là, ce sont pas, ils sont tous sauf des terroristes. pas des terroristes c'est vraiment des bandits. Et à l'origine, il y a cette idée-là que un blanc, ça a forcément de l'argent. Un blanc en Afrique. Mais les blancs, tous les blancs en Afrique ne, sont, pas, riches. Oui, voilà. Mhm. voilà. Parce que ce monsieur-là, il vivait pratiquement à l'état rural, dans cette zone-là. Et donc, c'est cette idée-là. Quand ils sont venus, ils ont demandé de l'argent. Quand ils ont vu qu'il n'y a pas d'argent, ils se sont concertés. Ils... Ça veut dire que la prise d'otage n'était pas prévue. Mhm, mhm. Ils, sont... ils ont passé un moment en train de discuter. Après, ils ont décidé de l'amener et de laisser les autres. Mhm. Donc, eh, eh, si c'est vraiment c'est des bandits qui pensaient se faire des sous. Maintenant, ils l'ont pris et comme l'a dit Suleiman, selon les dernières informations, ils ont demandé, ils ont demandé de l'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir le libérer. Si on le libère pas, ils disent qu'ils veulent le tuer. Bon, et eh, <laughs> Maintenant, ce sont des gens qui sont un peu euh, dans la brousse, là, de, la frontière entre le Niger et le Nigeria, mm-hmm. qui déjà qui écumaient les zones comme Madarouf et consort là, mm-hmm. qui étaient spécialisés dans le braquage des populations, n'est-ce pas Ils prennent ah du bétail, ils prennent tout, tout, tout. Voilà, c'est tout sauf des terroristes. Mm-hmm. Maintenant, la situation, elle peut, en tout cas, se dégrader. Le risque, ce que ces bandits-là, quand ils ne vont pas avoir de l'argent, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à monnayer ce toutage-là avec, ah les jeunes de l'État islamique, n'est-ce pas Les jeunes de l'État islamique, ils vont certainement faire une vidéo, ils vont l'exécuter pour faire un truc de un tapage. Mais ce que je dis, c'est problème qui va se Voilà. Mais ce que je trouve, c'est que ceux qui montrent que ce sont des amateurs, ce sont les appels téléphoniques qu'ils font. Moi, pour moi, ils vont être localisés. Mhm. Est-ce que vous comprenez ils, vont être... ils font des appels téléphoniques, n'est-ce pas Jusqu'à l'ambassade, il paraît, pour dire qu'il faut qu'on leur donne de l'argent. <laughs> Bon, c'est des amateurs. Ils ne vont pas faire long feu. Donc, complètement, oui. Mais, mais, mais la vie de l'otage est quand même en oui, oui, Parce que des gens comme ça, quand ils vont comprendre que ce monsieur-là est encombrant, tant qu'ils vont Ils ont deux choix. Soit ils le libèrent de la brousse et ils mm-hmm. disparaissent, ou bien ils décident de le tuer. Mais mm-hmm. moi, je pense que ce qui va leur permettre quand même de, de pouvoir s'échapper, c'est de le laisser s'enfuir mhm. Mhm. et puis de disparaître de la nature. Rappelons déjà qu'en octobre 2016, un autre Américain a été enlevé euh, par des hommes armés non identifiés oui, dans la région et dans le centre du Niger. Mhm. Mais l'enlèvement de cet Américain euh, a été imputé au groupe euh, terroriste opérant dans le nord. Oui, mais le groupe terroriste, il y avait aussi une de euh, des relents du trafic de drogue. Il paraît qu'il y avait des groupes qui, qui, se, qui, se, qui se faisaient un peu le, par rapport à une cargaison de drogue là. Mhm. Et que lui, le, lui, il ne serait que le, la conséquence de cette querelle entre euh, des, groupuscules de trafiquants de drogue. Mais jusqu'à présent, lui mhm. aussi, il est détenu. Mhm. Actuellement, donc, avec Walton, et Jeffrey Wood que ce sont deux Américains qui restent toujours détenus. Et pourquoi ils sont toujours détenus Les terroristes ne négocient pas parce que <laughs> les Américains ne payent pas. <laughs> Et donc les Américains, ils peuvent attendre même si c'est 100 ans c'est pas leur problème. Mhm. Maintenant, ils vont essayer de le localiser pour mener des opérations commando. Si l'otage meurt, tant pis. Mais ils ne vont jamais payer un franc. Sidi Koudoumbia, selon vous, euh, doit-on faire le lien entre l'enlèvement de 2016 et celui-ci de 2020 eh, vous savez, eh, Nafisa, <laughs> sans pour avoir cette boule de cristal devant moi, <laughs> eh, ça revêt une fois de plus le caractère asymétrique de ce à quoi euh, euh, nous faisons face mhm. depuis quelques années. Mhm. Mais l'un de l'autre, moi, je pense que c'est un problème qui se doit vraiment d'être sérieusement prise à bas, à le corps et ça remet sur euh, la table, comme qui dirait, vraiment l'impérieuse nécessité de la collaboration, mhm. aussi bien entre les populations, les FDS et les autorités. vraiment, il faut collaborer. Mhm. Voyez-vous, c'est des individus à bord de moto qui viennent vraiment dans un village euh, pour s'en prendre à un paisible citoyen. Mais là où mal risquerait de leur en prendre, comme l'a si bien dit Garé, c'est vraiment des amateurs. C'est des amateurs. Et en attendant, prions que euh, la vie de le lotage euh, soit, euh, sauve et que peut-être d'ici là, certainement que de part et d'autre, les dispositions soient en train d'être prises mhm. pour que euh, ces ravisseurs-là puissent euh, être localisés et être mis hors état Oui, et, à votre avis, quelles peuvent être vraiment les conséquences d'un tel acte pour le Niger Bon, les conséquences, vous savez moi je pense que pour le moment, pour le moment, la synergie des efforts de part et d'autre euh, est en train d'être euh, opérée. Mhm. Donc, euh, en attendant, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Nous <laughs> prions pour que d'ici là, la situation soit décantée. Mhm. Et mais je reste et demeure convaincu que de part et d'autre, surtout du de, côté des autorités, mhm. que les dispositions soient prises. C'est le deuxième américain. Donc, moi je pense que ça doit interpeller de part et d'autre de la nécessité vraiment de mener, de redoubler des efforts mhm. euh, pour euh, que euh, leur vie soit sauve. Oui, je, voulais lire. Mais enfin, c'est vrai, l'enlèvement de cet Américain, quand même, ça choque. Vous comprenez mhm. Mais ne enfin, mais, mais, c'est quoi cette manie qu'ont les Occidentaux à se mettre en danger Justement, si on sait que la zone même, c'est une zone à risque, si, parce y a des zones qui... Moi, je ne comprends pas. Qu'on me dise qu'il y a un Américain à la frontière du Nigeria. Mhm dans une ferme, avec tout. Mais c'est de l'inconscience mm-hmm. ou bien c'est de la provocation. Mais parce que comme ce que euh, euh, euh, je suis pas d'accord avec. Mais cette affaire-là a des conséquences sur le la, crédibilité du mm-hmm, pays, mm-hmm. sur la sécurité. Du... La France a déjà mis le Niger sur le zone rouge. Et je suis étonné de savoir qu'il y a des Occidentaux qui sont dans des zones frontalières extrêmement sensibles et extrêmement dangereuses et qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Surtout qu'il y a les localités qui sont sous état d'urgence à la date d'aujourd'hui j'ai dit ce que l'État doit faire. Il faudrait qu'on puisse dès maintenant recenser tous les Occidentaux imprudents ou téméraires qui sont au niveau. Non, mais qui sont dans des zones mhm. frontalières là, les rapatrier à Niamey. Parce que leur enlèvement porte un coup sur l'image de l'image du Niger, effectivement. Il faut les recenser dès maintenant. Oui, là, Suleiman, euh, selon vous, que doit... Je pense que euh, je vois l'inquiétude de Gary, euh, mais aussi souvent, ces jeunes n'oubliez pas que, par exemple, pour le cas de Walton, son père, il est là, il mène une vie donc vraiment intégrée. Et donc ici, c'est un problème général de sécurité qui se mhm. pose. Oui, mais c'est comme, comme il y la même ces populations à peau blanche, comme Sophie Petroni, qui sont des humanitaires. Mhm qui sont là. La, la, en fait, la, panique générale, c'est-à-dire que le sentiment d'insécurité ne le découvre par rapport à leur volonté d'assister les populations. Mm-hmm. Ah donc je pense qu'il faut mettre cela dans le cadre donc, de la euh, sécurité générale. Il va falloir tout simplement créer les conditions justement d'une sécurité pour tout le monde. Euh, on est là. Mais je pense que quelque part, les gens ont intérêt vraiment à ce que cette situation, euh, parce que quand même, c'est assez, assez, assez dire. Mhm. Quand vous dites, vous dites qu'un pays, vous le classez dans une zone euh, rouge pendant que vous êtes là sur le terrain en train d'opérer, vous voyez ce que ça fait, sans les, vraiment les conséquences les plus graves. Mm, mm, mm, que vous demandez au monde entier de ne pas fréquenter ce pays. donc euh, moi je pense que ce n'est pas la chasse donc euh, aux <laughs> populations belges, en tout cas pour de, revenir, mais plutôt euh, que nos partenaires en tout cas qui soient là avec nous, que le soit vraiment une collaboration sincère pour qu'on puisse véritablement mettre à bout vraiment tous ces <laughs> hors de danger, en tout cas ces, ces, ces touristes. parce que ça, la, vérité, mm. je l'ai dit en tout cas que la façon, le monde opérateur de touristes, en tout cas ces gens, la preuve, mm, mm, ils sont venus, ils ont en fait ciblé euh, ces, gens ils sont venus faire ce que vraiment incognito, ils sont partis. C'est après maintenant, après coup, le monde entier, quand vous, quand vous, allez suivre cette, actualité, vous allez, les médias de tout le monde en tout cas en, en, en parlent. Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est ça malheureusement l'acte des terroristes. Mhm, mhm. La communication, ils font un acte, mais le monde entier est informé en temps réel, et ça scandalise. Euh, ils ont demandé, les ravisseurs ont demandé une rançon et on sait que Birnin Koni est situé dans le département euh, de Koni près de la frontière nigérienne où sévissent, comme l'a dit Garé, euh, depuis des années des groupes armés qui procèdent à des enlèvements et demandent des rançons. Selon vous, Sidikou, qu'est-ce que l'État, comment l'État doit renforcer la sécurité pour vraiment faire face à ce, genre d'actes qui à l'image du pays vous savez, eh, c'est de renforcer la sécurité, on l'a tout le temps dit, la porosité de, nos frontières, c'est un fait. Maintenant, c'est vraiment, je crois que les dispositions doivent être prises pour sécuriser d'abord, euh, mhm. vraiment les, renforcer la sécurité au niveau des frontières. Et je reviens là-dessus et j'insiste, c'est là où je dis, il faut vraiment mettre l'accent sur vraiment cette impérieuse collaboration entre les populations, les FDS et les, autorités. Vraiment, il faut communiquer les gens, s'ils sont venus, c'est après coup que euh, l'information, comme une traînée de poudre, s'est euh, répandue. Mhm. Euh, donc, qu'on même s'ils étaient venus notamment et que ce soit volatilisé comme ça. Donc, moi, je pense que hein. à pied, donc vraiment, il faut, il faut insister, il faut revoir, il faut vraiment en faire une priorité, la priorité des priorités, cette collaboration-là. Vraiment, j'insiste là-dessus euh, entre ces populations, les FDS et les autorités. Oui, rapidement pour clôturer ce sujet euh, franchement, euh, moi, je suis pas d'accord avec Suleiman et qui consiste à, dans son nature consiste à dire que non, on peut les, non, non, non, non, non. <laughs> C'est seulement à qu'on peut faire du jardinage Non. C'est seulement à Koni parce qu'il fait du jardinage en fait. C'est seulement cet endroit où on peut faire du jardinage. À la frontière avec le Nigeria Non, non mais arrêtez s'il vous plaît. Comment les gens peuvent se mettre en danger comme ça, de façon innocente, et puis on va. On va... Non mm. J'ai dit, il y a des Occidentaux qui sont dans les zones frontalières là, qui sont supposés intégrer au sein de la population. Parce que Jeffrey Woodke, mhm. il parle Touareg, mhm, mhm, n'est-ce pas Il était au sein de la communauté il de Il, était intégré. Oui. Non, il faut, non il, faut, il, faut, faire attention. L'enlèvement des Nigériens et l'enlèvement des Occidentaux, c'est différent. Un Occidentaux a levé l'image, les conséquences pour le pays sont tellement graves qu'on ne peut pas laisser cette situation-là perdurer. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Troisième et dernier sujet de ce forum, depuis plusieurs jours, de violents affrontements secouent la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Nigeria voisin. Ces manifestations ont déjà causé la mort de plusieurs dizaines de personnes dans ces pays. En Côte d'Ivoire et en Guinée, les tensions sont liées aux élections euh, pour un troisième mandat respectivement pour Alassane Ouattara et Alpha Condé. Au Nigeria, les violentes manifestations qui s'y déroulent sont surtout focalisées sur les brutalités policières. À propos de ces tensions, Amnesty International a réagi à travers sa directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui appelle les forces de sécurité à la retenue et à cesser d'utiliser la force brutale et meurtrière contre les manifestants. Garé Amadou, Comment vous interprétez ces tensions et leurs conséquences dans ces pays ces derniers jours mais, ces tensions sont tout à fait normales quand vous avez des chefs d'État qui refusent, en tout cas, de respecter les règles du jeu, qui, qui, donnent leur parole et qui reviennent sur leur parole. Mhm. Ça, les conséquences sont extrêmement graves. C'est vrai que les situations sont différentes, mais ce qui se passe en Guinée et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, les élections sont prévues pour le. Ah, ça, ça, risque d'être explosif. Hmm. Parce que j'ai écouté euh, euh, un des leaders de l'opposition ivoirienne euh, sur, une télévision internationale qui disait chose aberrante, ils sont candidats. Mais ils vont empêcher les élections. Hmm. Et le journaliste il a posé bien la question. Hmm. Mais <laughs> si vous ne voulez pas les élections, pourquoi vous êtes candidat mais il a essayé de faire une gymnastique intellectuelle, une, des explications tirées par les cheveux, mais qui n'ont convaincu personne. Si vous n'êtes pas pour les élections, pourquoi se présenter Ne vous présentez même pas. Mhm, mhm. Maintenant, apparemment, c'est ils veulent apporter, ils disent qu'ils vont empêcher les élections de se dérouler. Mhm. Et donc, il y aura une confrontation entre les forces de l'ordre et les militants de l'opposition. Il y aura certainement des morts. En Guinée, la situation, celui d'Alain Diallo ne va pas, dit qu'il ne va pas accepter ces résultats-là. Il conteste. Donc, il conteste. Donc, déjà c'est un pays qui a fait face à des violences lors, des précédentes élections. Mhm, mhm. On va assister aux mêmes situations. Mhm. Tant qu'on aura des chefs d'État qui, dans les règles actuelles de la démocratie, où les mandats en Afrique, presque partout, sont de un mandat renouvelable une fois, tant qu'on ne respectera pas ces règles de jeu, tant qu'il n'y a pas de modification pour que, par exemple, euh, des mandats soient dépassent deux mandats ou trois mandats, on va assister à ces gens de Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse avoir des régimes stables pendant longtemps, plutôt que chaque 4 ans. On renouvelle. Mais les gens ne font que se manger. Mhm, mhm. Dès que tu es installé là, personne ne veut. Personne ne. T'as dit que dès que tu es installé, ça commence à, se manger. L'opposition, mhm, partout, c'est du bruit partout. Et tu n'arrives pas à travailler. Mais quand on a des régimes stables pendant longtemps, effectivement, ça permet au pays de se développer. C'est pas pour rien que les Occidentaux nous stable, ont dit. Stable, qu'est-ce que vous entendez par Qu'est-ce que je veux dire par stable C'est-à-dire, quand les gens sont tournés vers la même direction, mm. quand vous savez que, par exemple, euh, euh, euh, d'abord les mandats de 4 ans, 5 ans, je trouve que c'est court pour un président. Mm. Surtout dans des pays où les gens, je vous dis, dès que vous êtes installé au pouvoir, les gens commencent à se manger. À se manger. Pour moi, il faut étaler les mandats sur 7 ans. 7 ans. Ça permet de travailler. Mais si on fait des mandats courts, tu n'as même pas le temps de de, de, souffler que le, mandat est fini. Eh eh et tu as passé tout ton temps, toi et tes opposants, en train de vous manger. Donc, ça ne permet pas de travailler. <laughs> et maintenant, on a des situations où des chefs d'État, <laughs> le pouvoir, c'est tellement bon hum, hum, hum. qu'il y en a qui, qui ne parviennent pas à s'accoutumer de quitter ces véhicules noirs la garde rapprochée et tout, eh Les sirènes, et de revenir à une vie normale. <laughs> Vous comprenez Personne ne veut quitter le pouvoir. ne veut quitter le pouvoir. Mais c'est pourquoi notre président est célébré sur le plan international. C'est pourquoi il est, il, est, il, est, il, est, il, est, salué, il est respecté partout. Pourquoi Parce que lui, il a dit, j'ai fait un mandat, j'ai eu la chance d'avoir un second mandat, j'arrête. Il veut donner l'exemple à la prochaine génération. Ce qui n'est pas le cas de Alpha Condé, de Alassane Ouattara, apparemment qui. Moi, je suis déçu, parce que pour Alassane Ouattara, qui était dans des institutions internationales, qui a côtoyé les pays occidentaux, mhm. professeur Alpha Condé, un enseignant d'université, qui se comporte de cette manière-là, j'ai dit, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc vraiment, il y a des, y a, des dangers dans, ces pays-là. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Seul Dieu le sait, mais moi, je, je crains le pire pour ces pays-là. Si du coup, euh, que pensez-vous vraiment de ces violentes manifestations euh, Est-ce qu'il n'existe pas d'autres alternatives aux violentes manifestations et leur répression dans ces pays euh, Nafisa, le, la seule alternative, c'est le respect des délais constitutionnels. C'est là où je ne serais pas d'accord avec euh, Le pouvoir est doux, hein, Garé. Donc, <laughs> que le, mandat soit de 5 ans, 7 ans, c'est le respect vraiment des, délais, constitutionnels. Donc, moi, je dis que ça soit, le mandat soit fixé à 2 ans, 4 ans, 7 ans, il faut respecter Mhm. les délais constitutionnels mhm. qui vous sont impartis. L'État, c'est une continuité. Et ce qui est choquant, pour le cas de, de, de la Côte d'Ivoire, aussi bien de la Guinée, même si comparaison n'est pas raison, c'est des gens qui, eh, quand ils étaient de l'autre côté, ont eu à bourlinguer, ont eu à subir, mhm. tellement que vraiment, ça devrait leur servir de leçon. Surtout quand on dit l'espérance, c'est la somme de, nos erreurs. Mais que ces mêmes gars-là viennent et arguer d'autres considérations qui laissent à désirer. Pour le cas de Ouattara, c'est un devoir mhm. citoyen. Le devoir citoyen d'où hein? Imaginez si son défunt, le, le, défunt premier ministre là, ce qui veut dire que pour beaucoup, euh, même s'il était vivant, euh, il n'allait être là comme comme une marionnette. Mais l'un de l'autre, ça n'excuse pas vraiment de se rétracter et mhm. revenir sur la, sa, parole donnée. Mhm, mhm, Pareil pour Alpha Condé. Hein? Et la preuve, vous avez vu les différentes missions dépêchées. Donc, à apparemment, c'est lui il dit qu'il il, il en a Lui, il dit avoir en possession des résultats. Donc, on ne va pas s'en sortir à ce, vraiment à cette allure-là si chacun euh, dit avoir ses, résultats et entre-temps, le pays ne ferait que s'enliser mhm. dans des violences dont vraiment ces deux pays n'ont nullement pas besoin. Mhm. ils, ont d'autres chats à fouetter. Moi, je pense qu'ils devraient quitter vraiment euh, par la grande porte. Et sinon, ils risqueraient vraiment de la prendre à leur départ. Et là, Suleiman, êtes-vous pour, pour vraiment le respect de ces délais constitutionnels euh, ou bien les mandats doivent être prolongés comme l'a proposé Gary Amadou Absolument, en réalité, ce n'est pas une opinion, c'est tout ces pays-là, c'est la loi fondamentale qui l'impose. Hmm. La preuve, c'est que Ouattara a modifié la constitution. Alpha Condé a, a, a, obtenu un référendum en, marchant sur le, les cadavres des de, de, Guinéens. Euh, vraiment, le Nigeria, ce n'est pas la même chose euh, parce que Buhari, vous vous souvenez, à la dernière euh, réunion, de la, CDAO, il a même dénoncé justement ce chef d'État. Hmm. Et ce qui me fait dire aussi, la CDAO en tant qu'institution communautaire a failli parce que quelque part, il faut quelqu'un qui puisse freiner les indélicats. Alors que la CDAO en tant qu'institution doit dire que personne ne doit violer les principes. On a décidé que euh, ces deux mandats, tu finis tes deux mandats, il faut vraiment les laisser. C'est-à-dire que les hommes provinciaux, comme euh, dirait l'autre, mm. en tout cas, il faut qu'on se dise que, imaginez aujourd'hui, euh, Alpha euh, Condé à 87 ans, Ouattara mm. à 84, ans. donc, donc, vous voyez, ces personnes, quand Ouattara parle de son bilan côté vraiment euh, infrastructure, côté économique, mais c'est très beau. Mais il doit se dire qu'il ne peut pas parachever tout ce qu'il a envie de faire pour la Côte d'Ivoire. Il laisser la place à. Euh, absolument. C'est-à-dire que et maintenant, il veut dire que non, maintenant en 2025, il peut pas. Vous voyez, en fait, Hier, on l'a suivi sur France 24. Hmm. Il n'est pas du tout convaincant. Euh, Alpha Condé, moi, je pense que euh, l'erreur que euh, l'opposant, celui d'Alain Diallo, a, en tout cas, a, commettre, c'est que il aurait pu, avec ses autres camarades de l'opposition, euh, boycotter cette. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien. Il est comme venu cautionner. Mm-hmm. Si Alpha Condé a décidé d'obtenir ce référendum en tuant des Guinéens, ce n'est pas pour lui offrir le pouvoir de l'argent. Donc je pense que euh, il avait quitté l'opposition guinéenne ensemble, avait décidé en tout cas de ne pas participer. Mais à la dernière minute, euh, euh, celui d'Alain a, quitté, il va participer aux élections. Aujourd'hui, devant la situation créée, c'est comme s'il a cautionné apparemment, on est devant les faits accomplis. Mm, aujourd'hui, à, la fois qu'on est sorti, montrer vraiment, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas sous le coma, il est allé visiter donc les, policiers et les gendarmes blessés. Mhm, mhm. Euh, donc, en ce qui concerne le Nigeria, il faut faire la part des choses. Les il faut comparer ce qui est comparable, à euh, ce qui se passe au Nigeria. Certes, on parle vraiment euh, en amont une situation donc aussi électorale, mais la violence, particulièrement à Lagos, parce que quelque part aussi il faut dénoncer, souvent les, ONG sont dans leur rôle de dénoncer certaines situations, mhm, mais c'est pourquoi Buhari, quand il avait intervenu, il a demandé aux gens vraiment de bien s'imprégner de ce qui se passe avant, de, prendre position. Euh, la violence à Lagos, euh, moi j'ai dit que le Nigeria, pour nous, en tout cas dans l'espace CDAO, c'est une puissance économique, quelle que soit notre. On a beaucoup. Par exemple, le fait que Buhari ait fermé les frontières, mhm. ça ne plaît pas. Mais cette puissance économique, si on vient, en tout cas, à être complice à ce qu'elle soit vraiment, euh, je veux dire, mhm. qu'elle connaisse un déclin, mhm c'est très très dangereux pour nous. Donc de mon point de vue, ce qui se passe au Nigeria, parce que aussi le Nigeria, en termes de violence, ceux qui connaissent le, les, gosses, mm. même en temps, en en, mm-hmm. normal, ne, ne pas jouer le jeu de laisser, en fait, parce que simplement, il y a déjà là-bas, en fait, pas comme ici chez nous, mm-hmm. des gens qui ont une culture de violence qui ne profitent que de l'occasion justement pour, se chercher à, remettre, tout remettre en cause. Et l'État au Nigeria, c'est vrai aussi, euh, il faut le reconnaître, il y a une, police euh, là-bas, donc il y a de mauvaises pratiques. Là aussi, je pense que le président a promis de réformer, donc euh, de, faire de, faire des réformes. Mm-hmm. Mais quand on doit parler du cas de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, il faut, pas, il faut faire la part des choses. au, en Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est deux vieillards, excusez-moi l'expression, <laughs> qui n'ont pas le sens de l'histoire. D'accord, d'accord. Qui n'ont pas compris qu'en réalité, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Il faut chercher à sortir par la grande porte. Voilà. Et justement, le, notre pays euh, s'apprête aussi à organiser des élections. Je reviens vers vous, Sidikou. Comment euh, vraiment prévenir ce genre euh, de situation et vraiment parvenir à des élections apaisées si on sait qu'on va bientôt organiser des élections ici au Niger euh, ces élections euh, apaisées, moi je pense que dans un premier temps, euh, il revient aux responsables et aux leaders politiques vraiment de je ne dirais pas de sensibiliser, mais vraiment de prôner euh, vraiment cette culture démocratique-là à leurs militants mhm. d'abord et à l'État ensuite de prendre vraiment toutes les dispositions euh, pour que ces élections-là, euh, que tout le monde veut apaiser, se déroulent et que vraiment cela puisse consacrer vraiment, comme beaucoup le souhaitent, la première, une certaine alternance démocratique mhm. pour le bonheur de tout le peuple nigérien. D'accord. Et de votre côté, Garé oui je suis aussi d'avis que il faut que euh, la culture démocratique soit inculquée aux citoyens. Mais vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui ceux qui se préparent en Guinée là, parce que part en Guinée, en Côte d'Ivoire, mhm. parce que tout simplement les élections il y a considéré que non non, on va commettre des actes de violence, n'est-ce pas, mhm. pour e-, essayer de perturber tout le processus. Attention, ton droit s'arrête là où commence celui des autres. Si toi, tu ne veux pas partir voter, il y a des gens qui veulent partir voter. Tu n'as pas le droit de vouloir les empêcher de partir voter. Non. Donc, ces, manifestations n'ont nullement pas leur non, Ça n'a pas, des actes de violence pour contester des élections, mhm. pour contester des droits que certains sont partis, absents partis. Si toi, tu ne veux pas voter, ne vote pas. Maintenant, il y a des il y a des moyens de recours mhm. pour partir contester. Là, seulement, donc, pour finir, euh, euh, oui. Mhm. Donc, en tout cas, de mon point de vue, euh, je vois sur le processus électoral, euh, c'est aussi des acteurs. Il y a euh, l'autorité, il y a l'opposition, il y a la société civile, il y a nous les médias. Mhm, mhm. Donc tous ces acteurs, chacun doit jouer son rôle. Mais en amont aussi, il faut prévenir les conflits. Euh, prévenir les conflits, c'est créer les conditions véritablement d'une élection libre, transparente, où tout le monde est d'accord avec les règles, les, règles de jeu. Mhm, Donc, vous voyez, en Afrique, très malheureusement, euh, on continue toujours d'organiser des, élections où il y a toujours une crise euh, pré- ou post-électorale. parce que tout simplement, il manque de sincérité au niveau des acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire les... tout, le, monde, au niveau des acteurs, il manque de sincérité. Mm. Chacun voudrait tricher, chacun voudrait trouver, euh, tirer la couverture de son, mm-hmm. Donc, vous voyez, je pense que on ne peut pas améliorer la qualité de notre démocratie lorsqu'on n'est pas censé, lorsqu'on n'a pas un comportement républicain, euh, donc il va falloir qu'on se le dise. Euh, euh, tout simplement, il faut qu'on travaille chaque fois pour s'entendre sur l'essentiel, créer donc les conditions euh, vraiment d'un processus électoral, en tout cas, donc, où tout le monde est d'accord. C'est une en tout cas, des premières règles. Une fois que cela est entendu, il faudrait maintenant que chacun puisse vraiment faire son jeu euh, vraiment euh, s'assumer sincèrement. Mais sinon, vous voyez, arrêtez. Si une élection euh, doit coûter la vie à des citoyens, je pense que franchement, ce n'est pas la peine, euh, c'est vraiment pas nécessaire. Merci à l'âge Suleiman. Et c'est ici que se referme euh, le forum de la presse de ce vendredi 30 octobre. Merci à nos confrères euh, à la réalisation vidéo, c'était Adam Adawaki et Mustafa Yuba. À la régie audio, c'était Madame Aminatou Hassan. À la modération, fils Adam Sirfo. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur la gestion de la réserve de termites de Tentuma. Et dimanche, le forum en Zerma sur la transhumance transfrontalière via le département de Gaïa. Merci donc, chers confrères. À très bientôt sur le sud de Kalangou.